pratiquement pour les liens qui me qui m'unissent, les liens qui me lient au saint à votre organisation, les liens qui me lient à l'ensemble du secteur de la presse, pour que ce, pour ce que ce secteur représente,

des emplois que nous ne saurions laisser disparaître. Si Dans la construction même, le groupe Fadiri génère des emplois que nous ne saurions laisser disparaître. Pour toutes ces raisons, la synthèse force du changement s'engage à vos côtés. Et je pense que le mouvement syndical s'engagera également à vos côtés. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waaw.